السلام عليكم مساكم بالخير جيتكم اليوم نهضر لكم على ان غوميتر دو لا ميوزيك مالوف وهو حسن العنابي باسمه الحقيقي هو حسن عوشال الله يرحمه ويوسع عليه كي من 1925 لو 20 نوفمبر القصر ولاية بجاية حسن العنابي اللي est عنابة افيك سي بارون الله يرحمهم ويوسع عليهم, euh, لا a exactement. à 14 ans il a arrêté l'école Donc, quand on le دونك كان متولع بالمالوفه بالاندلس وكان هو يغني الشعبي دونك بدا يتعلم في المالوف ويتعلم في مع الشعبي من تروح اخرى من حلاوه اخرى وكان هذاك الوقت كانوا شيوخ كبار منهم آه، آه، محمد الكرد الله يرحمه اي أيوه، وشافوا يعني آه، إنسان ناشط ومتربي ويحب الفن هذا وعاطي له قدره كتب المكتوب ولا يخدم أحمد الكرد غنى معاه في سهرات في الجزائر في عنابة في سوق هراس ما مخدم ما مع محمد بنيني لونكل تاع حمدي بناني الله يرحمه محمد بناني دونك سيتي لومبلام تاع النابا ابري الله يرحمه محمد الكرد أبريجا هو خليفته يعني كي تسمع الإنسان هذا والفنان هذا يعني في في صنعاء ولا في حوازة في سجول شي شي عجيب الله سبحانه عطى له واحد القرزي هذاك ميلونج دو امازير ودو عربي سبحان الله مد واحد النقه يعني اكسبسيونال الله يرحمه ويستر عليه Donc, j'essaye à mon niveau de le rendre hommage avec les moyens que j'ai. Hassan al-Nabi, il a chanté de partout. Et la, première soirée Théo, c'était à Sogharas 1948. il a fait une grande soirée. Hassan al-Nabi, c'était le monsieur qui joue euh, la flûte. Il a le bouka. Il a le piano. Il a le violon. آه عندي واحد الوهبه يعني وعندي واحد الودن الله يرحمه ويوسع عليه وهو يعني من حومه اللي معروفه في عنابه وماليها لها ناس متربيين وناس يعني حضاره وهي المحافر المحافر هذه يعني جابت رجال وفنانين ومنهم حسن العنابي دونك جو لو رون اوماج ونقول لولاد بلادي تبارك الله فيكم باسكو راهو علم يعني شي عجيب ورام الله يبارك كلهم راهم شيوخ كبار ونضربوا بهم المثل حنا في الغربه واش راح نقول لك اخويا على حسن العنبي أه نقعد معك شهر وانا نهضر وما نحبس على حسن العنبي الله يرحمه ويوسع عليه Donc euh, je vous souhaite bonne soirée وحطوا ودنيكم تسمعوا شويه طرف تاع حسن النبي نخليكم نقول لكم Chers téléspectateurs, bonjour ou bien bonsoir. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, nous allons parler de Sheikh Hassan Al-Annabi. Sheikh Hassan Al-Annabi qui est né le 20 novembre 1925 à Al-Qasr, de son vrai nom est Larsen Aouchel. Il avait à peine un mois quand ses parents partirent habiter à Annaba. Il quitta l'école à l'âge de 14 ans et s'initia dans les années 30 à la musique shabi, au contact des grands maîtres tels que Shir Tidjani, Bahmed Ben Issa et Shir al Curieux et désireux de toucher à tout, il travaille avec les Issawa et fait du théâtre dans la société Al-Badr, dirigée à cette époque par Omar Ben Malek, comédien et pianiste. Il assurera la direction de cette même association durant deux ans. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce fut la phase initiatique à la musique andalouse de simple instrumentaliste et ses débuts, il devient un grand chir du Melouf Il s'imposa son propre tabac caché, tabac, à un genre réputé difficile, il est vrai qu'il a eu la chance de côtoyer dès ses débuts les plus grands maîtres qu'alors, donc Hassan Khemar, qui lui a inculqué d'ABC Tumalouf. Et il encouragea à l'éviter et d'initier la star à l'époque, Al-Qurd. Comme créer son propre style, mais son itinéraire riche et rencontre un événement ne débuta que vers 1940. L'enfant de Bini Mafer est un des plus anciens et populaires quartiers de la ville, fait introduit par la première fois dans le milieu de la musique par le surnommé et l'homme moins connu alors que pour ses talents d'accordeur de piano unique sur la place Anabi. Selwa. Pendant près de dix ans, Hassan, qui a accompagné les Chiours de l'époque s'essuya à la flûte, à la flûte dont il a appris à jouer avec Mohamed Bennani, dit Petit Mohamed, oncle du chanteur Hamdi Bennani. Il joua également de la zorna et de la Derbuka avant de passer avec Sheikh Smaï au piano. Il faisait partie de cette époque des loups il faisait partie de cette époque des troupes des Cheikh Al-Arbi, Ben pardon, et Tijen. C'est en 1948 qu'il a joué pour la première et unique fois avec le maître du Malouf, alors qu'à Annaba, Sheikh Mohamed el kurd c'était aussi l'époque de Sheikh Omar Chakleb et Hassouna à Constantine et de Sedek Bijawi à Bijaya. C'est en 1948, à Soukharas, qu'il fera sa première apparition en public accompagné des frères Benzaga. Ce fut un véritable table succès, un véritable succès. Par la suite, il se liera d'amitié avec Abdelaziz Mimoun, dit Gomar maître incontesté de la mesure, qui le perfectionnera encore mieux dans la maîtrise des instruments et il l'incitera à créer son propre orchestre. Ses talents ne s'arrêtaient pas là, puisqu'il finira le temps de quelques tournées avant le théâtre aux côtés de Bechtarzi Al-Annabi, joua dans une pièce Intisar al-Haq la victoire du bien. Al-Wada al aqir le dernier adieu. Sur scène avec un violon ou un oud, lutte, il devient célèbre avec la sortie de son premier disque en 1958 qui se composait de deux chansons. Fetima Yebeni Houchen et Jimmy Fina chez Pate macaroni. Yamoulet Seg Darif et aussi des succès puissants dans le répertoire classique Shir Hassan allait donner un cachet spécial au Melouf nabi jusqu'à là dominé par celui d'El Qurd ou celui des chanteurs constantinois. Il était l'un des artistes doués et un homme fier comme tous les artistes de son genre. Quand il mourut le 30 septembre 1991 à Annaba, à la suite d'une attaque cardiaque résultant du diabète, il ne laissa comme seul héritage à son fils Baziz, musicien lui aussi, que ses notes de musique. Merci à tous, merci à toutes de nous avoir suivis pour ce portrait d'artiste qui est le portrait d'artiste de Sheikh Hassan Al-Annabi. Allah y